merci de nous recevoir chez vous pour cette émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, Samira Wafi et à mes côtés, Mariam Ibrahim Adé. La technique est assurée par Seni Isaka et à l'édition, c'est Adama Dawaki. Mariam, comment tu vas ce matin Ça va bien, Samira, et toi Oui, je vais bien, Alhamdulillah. Alors, qu'allons-nous servir à nos auditeurs durant les ta prochaine minute D'abord, euh, nous allons servir à nos auditeurs de l'information pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Sans suivre nos rubriques quotidiennes. Comme nous sommes lundi, nous aurons de la justice dans la rubrique hebdo. Nous aurons l'entretien du jour avec les secrétaires exécutifs du Fonds d'appui national aux petites et moyennes entreprises et industries au ministère de l'économie et des finances. Il s'agit de M. Issa Kahadi. Avec lui, on parlera de comment le FONAF soutient les entreprises locales. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, un reportage en région, la chronique Loti de la culture linguistique pour finir avec les messages vocaux de nos auditeurs. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission et nous est présentée par Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Mariam, bonjour Samira. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Ce 2 décembre, c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Selon les Nations Unies, c'est une occasion mondiale de réfléchir chaque année sur un enjeu tragiquement actuel, les multiples formes d'esclavage moderne qui persistent aujourd'hui. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions sur la célébration de cette journée au Niger. L'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger, ITE Niger, a présenté en fin de semaine le rapport d'analyse 2021 sur la contribution du secteur extractif au développement économique et social du pays. Il ressort de ce rapport le manque de profit optimal du gouvernement et du peuple nigérien dans l'exploitation des ressources naturelles. Sur le plan économique, ce domaine apporte peu et en termes d'employabilité, ce sont les étrangers qui en profitent le plus. Une délégation russe conduite par le vice-premier ministre M. Alexandre Novak en visite d'amitié et de travail dans les pays de l'Alliance des États du Sahel est arrivée samedi au Niger. Après avoir été reçu par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Chani, le chef de la délégation russe a indiqué, je cite, nous avons parlé de la coopération commerciale, économique, militaire et militaro-technique. Nous avons également discuté des projets concrets qui puissent impliquer les opérateurs économiques russes en matière d'énergie, de transport, d'agriculture et des mines. Et on s'est mis d'accord pour lancer ces projets au plus vite possible. Fin de citation. Et c'est ici que prend fin ce flash d'information. Merci bien, Nafisa. Passe une très belle journée. Je vous souhaite pareil. Chers auditeurs, l'invité de ce matin pour notre entretien est M. Issa Hadi, le secrétaire exécutif du Fonds d'appui national aux petites et moyennes entreprises et industries au ministère de l'économie et des finances. Mais avant ce Semira, nous allons écouter le son Binta du défait artiste Hassan Aboussa. tuzo sai ta ce ai suwa hallelujah. né en 1969 à Zander. Il s'est initié dès son plus jeune âge à la chanson. Élève exemplaire, ses parents voyaient d'un mauvais œil leur enfant devenir musicien. Sana Boussa de l'orchestre Super Asquier de Zander était un artiste d'un talent remarquable. En tout cas, il a bien fait son temps. Il a séjourné également au Nigeria et en France. Ses inspirations rythmiques puisent leur source dans le reggae, le funk, le zouk et le soukous. Il était décédé le 20 décembre.

ce ma bintu zo sai ta ce ai suwa ni ausa ai suwa ni ausa kalazar masamniyo wayo ni kaina wai in na ce ma bintu zo sai ta ce ai suwa ni ausa ai suwa ni ausa kalazar masamniyo wayo ni kaina sa adda ya ya zani bunu bunu ta bunu wa me mota te makamun ni ka kai ni birni ya mai don Allah inga bintu ayo sam masoyi lalle akwai shuya anda kunji yanda nayi na samu bakwa iya ba wa in na ma mabintu zo sai ka ce titre Binta de, de l'artiste Sani Aboussa retour au studio à présent. C'est l'heure de l'entretien avec Monsieur Isaac Hadi. Dans cette première partie, il nous parle des objectifs du FONAP, le Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries, et comment ils apportent leur aide à cette industrie. Pour en savoir plus, je vous propose de l'écouter. Le FONAP, euh, c'est une administration du ministère de l'économie et des finances euh, qui a pour mission la promotion et le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries au Niger. Donc euh, on poursuit comme entre autres objectifs la transformation de l'économie nationale en suscitant la création de tout ce qui est euh, petites et moyennes entreprises dans des secteurs qui sont prioritaires pour l'État du Niger, à mobiliser tout ce qui est financement direct ou indirect qui va permettre d'assurer un financement régulier de notre économie et de financer les PME PMI à travers la garantie, la bonification, euh, le crédit VAEL et tout autre instrument financier innovant qui va permettre de lever tout ce qui est contrainte d'accès au financement pour les PME. Et les derniers, naturellement, c'est tout ce qui est question de renforcement des capacités techniques et managériales des dirigeants des PME et PMI. Et depuis combien de temps le FONAP travaille-t-il avec les petites et moyennes entreprises ici au Niger Le FONAP a été créé en mai 2021 et il a été rendu opérationnel en octobre 2021. On a lancé notre premier appel à projet en 2022. Là, on est à notre troisième appel à projet. Euh, donc, je peux dire trois ans, ça fait la troisième année qu'on travaille avec les petites et moyennes entreprises. Et comment est-ce que vous apportez votre aide à ces entreprises-là en temps normal euh, En temps normal, euh, c'est sur deux aspects. Il y a ce qu'on appelle euh, euh, le financement, donc ici au financement avec euh, f FA majuscule, tout ce qui est levier euh, en termes de conseil, en termes de structuration d'offres, en termes d'arrangement du financement, de garantie, de bonification, donc à travers pratiquement tous les instruments qui sont disponibles sur le marché domestique. Donc on essaie de tout faire pour que les PME puissent bénéficier au maximum, tirer le grand avantage qu'ils peuvent en avoir à travers le système bancaire. Et le deuxième, c'est des questions de promotion à travers lesquels euh, on fait en sorte que d'abord on, améliore la qualité du produits de nos PME à travers un programme de certification. On fait euh, aussi euh, la visibilité de nos PME à travers deux événements. Il y a la rencontre de nos champions, qui est une émission mensuelle à travers laquelle chaque mois on identifie une PME qui est significative dans ce secteur d'activité à travers lequel on fait découvrir aux Nigériens de l'intérieur comme de la diaspora les produits que ces entreprises euh, mettent à leur disposition. Et l'autre aspect, c'est la participation aux foires au niveau local et au niveau international, et pour lequel on essaie de faire en sorte que nos PME euh, participent euh, pour faire la promotion de leurs produits. Et le dernier aspect, c'est tout ce qui est question de formation. D'abord, le premier, c'est les questions de formation en gestion pour améliorer euh, la qualité de la gouvernance au sein de nos PME. Le deuxième aspect de formation, c'est tout ce qui est réseautage, mise en relation commerciale et mise en relation euh, avec euh, les investisseurs qui sont pratiquement les banques et autres partenaires au développement qui, s'y intéressent à la question du, du financement des PME PMI. Et pour participer, on a deux approches. Il y a ce qu'on appelle l'approche indirecte à travers nos banques partenaires pour lesquelles toute PME qui a besoin d'un financement peut directement déposer son dossier au niveau de sa banque. Lorsque la banque examine le dossier, elle peut euh, solliciter l'intervention du FONAP pour faciliter l'arrangement du financement. Et nous-mêmes, on a ce qu'on appelle les appels à candidature pour lesquels, de manière permanente, euh, toute PME qui a un dossier qui souhaite euh, bénéficier de nos accompagnements, elle peut déposer son dossier. On a un comité d'investissement qui analyse les dossiers, qui les évalue euh, pour assurer de leur faisabilité, de leur viabilité technique mais aussi financière. Et une fois que le dossier est sélectionné, on envoie à la banque partenaire. Et la banque, c'est la banque de la PME, elle examine euh, et sur la base de ce qu'elle a eu à découvrir en termes d'informations financières et tout, elle peut demander une deuxième lecture, tout comme elle peut donner son accord et nous dire ce qu'on doit faire pour qu'elle accompagne la PME. Donc voilà de manière simple les deux approches à travers lesquelles les PME peuvent nous solliciter pour avoir notre accompagnement. Depuis peu, nous savons que notre pays a traversé une crise, notamment avec les sanctions économiques et tout. Euh, comment est-ce que le PONAP s'est adapté euh, Je peux dire, euh, dans le contexte actuel, on a un peu euh, encore accentuer nos goûts à la transformation de notre économie. Parce que les sanctions nous ont, euh, nous ont relevé surtout nos forces. Euh, les sanctions, ça nous a permis de comprendre quels sont les secteurs sur lesquels on doit accentuer nos efforts. Et ça nous a permis, par exemple, dans le domaine de tout ce qui est la filerie, donc ça nous a permis un peu d'identifier des entreprises qui sont dans le domaine de la production et de la transformation. Euh, dès le mois d'août de l'année passée, ça a coïncidé avec la période euh, euh, pratiquement hivernale. Donc on a réorienté nos mécanismes pour identifier des entreprises qui peuvent déjà aider à apporter une solution de la crise qu'on traversait à l'époque. C'était là la première partie de notre entretien avec M. Isaka. Hadi, qui est le secrétaire exécutif du Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises. Et eh bien avant de poursuivre cet entretien, faisons une petite pause à musique et retrouvons cette fois-ci Bambino. C'était la de Bambino un des artistes nigériens qui a été nommé pour la première fois au Grammy Award dans la catégorie Best World Music Album. Voilà, nous allons passer euh, pour la suite de notre entretien avec M. Isaac Hadi. Grâce au FONAP, l'accès aux banques est plus facile pour les entreprises comme dans le domaine du leasing. C'est quoi le leasing C'est euh, le système par lequel les banques islamiques fonctionnent. Donc on ne te donne pas directement de l'argent, mais on te paye un bien qu'on met à ton service, ce dont tu as besoin. Voilà, il va aussi attirer, l'attention des entrepreneurs à la résilience, mais on l'écoute pour en savoir plus. Voilà, on va continuer. Et qu'en est-il de la mise en relation des entrepreneurs, je veux dire les petites et moyennes entreprises mhm. et les banques Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'État du Niger, à travers le secrétariat exécutif du FONAP, a réussi pratiquement à conventionner toutes les banques. Ça veut dire aujourd'hui, toutes les banques euh, du Niger ont une convention avec l'État du Niger dans le cadre de la facilitation d'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, n'importe quelle PME se présente au niveau d'une banque, elle peut bénéficier des avantages que l'État a négociés avec les banques euh, aujourd'hui, toutes les conventions qu'on a avec les banques, euh, c'est un taux bonifié qu'on a avec les banques. Et de l'autre côté, il y a les conditions de garantie qui sont pratiquement aussi négociées avec les banques, de telle sorte que pour certaines entreprises, aujourd'hui, c'est même du financement. Il y a des produits financiers euh, sans garantie, avec des taux bonifiés pour certaines couches des PME, pour certains niveaux des PME. Et aujourd'hui, par exemple, euh, même dans des domaines qui sont un peu difficiles comme le leasing. Aujourd'hui, on a réussi à développer un produit financier du leasing avec la Banque of Africa, avec la BOA, qui aussi a permis aujourd'hui un certain nombre de PME qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le financement conventionnel ont retrouvé leur compte. Et c'est pareil aussi avec euh, certains PME qui ne souhaitent pas se faire financer par la finance conventionnelle, mais qui préféraient la finance islamique. Euh, si on regarde de 2020 à aujourd'hui 2024, on remarque qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont fermé ou qui ont cessé d'exercer. Est-ce que le FONAP a une réponse par rapport à cela euh, euh, En fait, pour nous professionnels du domaine, la mort d'une entreprise, certes c'est dramatique, mais c'est un fait naturel. C'est un fait naturel dans un écosystème aussi difficile qui est celui d'entreprendre euh, n'est pas donné à n'importe qui de réussir, il n'est pas donné à n'importe qui d'être entrepreneur. Donc naturellement, dans toute activité, c'est normal qu'on trouve, c'est comme une classe. Vous pouvez commencer aujourd'hui, vous commencez dans une classe de 50 élèves au CI, mais quand on va venir au bac, vous allez voir que peut-être c'est trois ou quatre qui auront le bac. Et quand on va venir à la fin doctorat, vous allez voir que par exemple dans toutes ces promotions, il y a un seul qui a réussi à être docteur. Donc c'est comme ça l'entrepreneuriat. Le taux, euh, et nous aujourd'hui, on est en train de travailler pour réduire le taux de mortalité de ces entreprises en prenant les dispositions. Parce que la majorité de nos entreprises, elles disparaissent pas parce que euh, l'environnement économique ou bien le truc est difficile. Non, ils disparaissent par rapport à des erreurs qu'ils font en amont. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous allez voir un jeune qui n'a jamais élevé 5 poussins, il dit qu'il veut commencer avec une ferme de 1000 poussins. S'il n'accepte pas les conseils qu'on lui donne, l'accompagnement qu'on lui donne, et que parce que simplement il a l'argent, il va, il achète 1000 poussins, alors qu'il ne, ne sait même pas de toute sa vie, il n'a jamais géré 5 poussins, donc c'est normal qu'il échoue. L'entrepreneuriat, avant tout, c'est pour être utile à sa communauté, donner son savoir-faire, mettre à la disposition des autres un produit ou un service que tu penses que Dieu t'a doté d'une certaine capacité. Maintenant, la richesse, comme on dit, c'est Dieu qui l'a faite. Mais malheureusement, beaucoup de nos jeunes, ils se lancent. Vous allez voir, il y a beaucoup. Vous prenez par exemple, moi j'étais resté directeur des opérations de la maison de l'entreprise. En l'espace de 5 ans, on a créé pratiquement environ 55 euh, 000 entreprises. Mais quand on regarde le taux de mortalité à la première année dépasse les 50 à 60%. Euh, quand on regarde un peu les chiffres euh, ces dernières années, on sent qu'il y a une certaine prise de conscience par rapport à la question entrepreneuriale. De plus en plus, on a des jeunes entrepreneurs avertis qui essayent avec les moyens de bord et qui essayent vraiment de, de survivre dans l'écosystème euh, avec les petits appuis qu'ils arrivent à avoir. Mais la question de la survie des entreprises, aujourd'hui, nous, elle c'est surtout à un certain niveau où ça nous préoccupe lorsqu'on a une PME qui a été euh, en activité pendant dix ans et d'un seul coup, on voit elle tombe. Et là, c'est là où c'est choc finir, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des jeunes et des entrepreneurs en général L'appel qu'on va lancer comme à l'accoutumée, c'est de dire à nos jeunes que l'entrepreneuriat, certes, c'est difficile, mais c'est la voie à travers laquelle on peut construire et bâtir notre pays. Aujourd'hui, quand on regarde le Niger, un sur trois produits nous vient de l'extérieur. Et tant qu'on ne réussit pas à créer notre capacité domestique, à produire et à consommer ce dont on a besoin, on sera toujours à la traîne. Quand on regarde aujourd'hui la dynamique et la tendance qu'on a au niveau de cette région, il suffit simplement que cette jeunesse puisse être accompagnée, soutenue pour qu'on ait des choses extraordinaires. Euh, et là, euh, aujourd'hui, tout ce qu'on peut appeler, c'est de dire bon, de continuer à être résilient, à travailler, travailler, travailler et euh, au bout de l'effort, on aura euh, les satisfaits, on aura le résultat qu'on attend. Merci, monsieur, d'avoir répondu aux questions du studio Calamou. Je vous en prie, merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Faisons une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la, réécouter, sur le site www.studiokalangu.org. Samira, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Eh et oui, nous parlons de litiges entre locataires et propriétaires. Il existe de nombreuses situations qui peuvent engendrer des problèmes entre un locataire et un propriétaire d'une maison, notamment en ce qui concerne l'entretien et certaines réparations du bien loué. À ce sujet, la loi régisse les obligations entre le propriétaire et le locataire concernant l'entretien d'un lieu à louer. Selon la Wali Soumaïla, ici de justice, une réparation qui ne dépasse pas la somme de 10 000 francs CFA doit être à la charge du locataire. Ici, le Wali Soumaïla nous explique les tenants et les aboutissants au micro de Asmana Arzika. a mafi yawanci matsalolin da ake iya samu a bangaren hayar gida ko shago da sauransu kulawa da gyaran wurin da ake haya na cikin abubuwan da ke kawo rikici tsakanin mai haya da kuma wanda aka ba haya doka ta yi tanadin hakkokin mai haya da wanda ya ba da haya a cewar hise lawali sama'ila haya wanda ake ba mutane ko ya zamanto ta gidaje ko ta shaguna wani lokaci akan samu matsaloli matsalolin nan suna ta kasancewa kan fuska guda biyu ko ya zamanto bangaren shi mai hayar da kanshi rashin fahimtar doka ko kuma shi da kanshi mai gidan ya zamanto shi ma rashin ba a fahimci dokar ba sai ya zamanto an samu matsala. Doka ke da kwai ta musamman ta ƙasa wadda ta yi magana kan haya. Kowane ɓangare akwai haƙoƙi wanda ya kamata ya kiyaye. Gidan da ka ɗauka ka kula da gidan yadda ka gaza ka kula da gidan ka kan akwai ayyuka wanda idan gidan yana son gyara doka ta ce akwai gyaran da mai haya ke yi akwai wanda mai gida ke yi ko menene doka ta ce a bangaren wanda aka baiwa haya a wajen kula da gyaran gidan da aka ba shi haya hisi lauli sama'ila ya yi karin bayani akan haka doka ta ce to idan ana son a gane kamar gyaran da ya hau kan wanda ake haya za a dibi kamar kuɗin da ake biya haya idan an kasa kaso ɗari to kaso goma idan gyaran ba zai cin kuɗi kaso goma ba na kuɗin haya to ya kamata wanda a cikin haya wanda ke cikin gidan dan haya shi ya wannan gyara misali kana cikin gida na jakka ɗari kana biyan shi to idan gyaran da za a yi bai wuce jakka goma ba kaga baka neman mai gida ka ce zo he maka shi to shi ne ake ce ma kamar da fetitire rasiya. Shi ko wanda ya ba da haya menene doka ta ce wurin gyaran gida a nashi bangare. Hisiye lawali Sama'ila ya yi ƙarin haske akan hakan kuma. Su kuma da gurasiri farasiya sai aka ce to duk lokacin da aka kiyasa valar kin reparasiyan kin ta wuce kaso goma cikin ɗari to ta zama gurasiri reparasiyan kenan mai gida ya kamata ka yi shi. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, l'émission Le Niger sur Kalangu se poursuit avant de continuer à écouter encore de la bonne musique nigérienne, rien que pour vous. En effet, Mariam, nous allons faire une autre pause en musique et ça sera avec le titre Yagda de Barakina. Barakina, yarda da bo kori kowa ba kowa ba mu dai ba mu zagi ba kowa ba kowa ba amma masu saki gida suna bata iri suna bata zama ar ba mu yarda da kuwa ba mu da kuwa ba mu da kuwa ba mu da kuwa ba mu da kuwa ba mu da kuwa ba mu da kuwa da juna ba ana ta zama ba a yarda da kowa ba kowa bai yarda da kowa ba zomo bai yarda da zomo ba banda yamu da yamu da yamu da yamu da yamu da yamu banda yamu da yamu da yamu da yamu da ba mu yarda da kowa ba ba mu yarda da kowa ba ba mu yarda da kowa amadara na buga musu zanzana na buga musu mi aka yi da isan mi yasa suke nema na ku dai ba ku yarda da mu ba kenan mu ma ba mu yarda da ku ba in kuma ke ma ba ki yarda da ni ba kenan ni ma ban yarda da ke ba bayan Allah na yarda da ku suna ɓata chers auditeurs, après cette pause musicale, Samira, en passe à l'écho des régions. Et direction Arlit, suite aux difficultés que rencontrent les pèlerins nigériens pour leur hébergement en Arabie Saoudite, de nouvelles dispositions sont prises pour corriger les insuffisances selon Al-Haji Amadou, président de l'ANAP, dans un entretien accordé à notre correspondant Gongo Mohamed Antani que je vous propose d'écouter. ina aka kwana game da shirye-shiryen hajjin bana. Shirye-shiryen hajji bana mu koke shekara tun mun hito daga hajji wanda ya wuce ne muke shirya hajji mai zuwa. Kenan tun hajji ya kare na 2024 ne mun kawara hajji na 2025. To a yanzu agents agents masu kula da zirga-zirgar mahajjata wani irin dokoki ne aka shimfiɗa musu saboda su sa mahajjata cikin yanayi kyaukyawa. bana an samu sabon salo wanda mutanen saudiya sun ka kawo bisa ga harkar hajji tunda kowace shekara mutane muna ta kuka muna ta jite-jite kewa can wajen mina ko arafa ko muzalifa ba mu samu wurare masu kyau sai sa sun ce dalilin da yasa ba mu samu wurare masu kyau shine ba mu tasi da wuri bana za su kayyada lokacin rubuta alhajjai kafin azumi to shi yasa mu ma'anan Niger da haɗin gwiwa kungiyar Koho wanda ke kula da harka haji da mu sandika na eh, alhajai muka aje ranar 30 da watan Desamba na rubuta sunayen alhajjai shine sabon salo da Saudiya sun kawo bana bana kahin azumi duk abin da sai harka haji za a kammala shi insha Allah to a bana kujera nawa ƙasar Niger ta samu na mahajata Niger eh, ya samu kujera 15,891 kamar yadda ya samu hajji da ya wuce 2024 shine ma 2025 kama daya shine Nijar ya samu. Yanzu 30 Desamba da an gace za a ruhe rutun sunayen alhaji kenan saura wata bi azumi ya kama. To wani irin kira za kuma masu kokarin zuwa haji a bana? Yau da abin da saura bai wuce wata guda da rabi ba daukin sunayen alhaji. Kenan kiran da za ne musu duk wanda suke da passport su yi kokari su je su rubuta sunayen su wajen azansa din da ransu yanzu wanda ba su da fasfot passport ma su yi kokari su je su tattar takadunsu don su je su samu tun don mutum baka da passport baka samu visa baka samu visa kuma baka yi hajji a gaugoce su yi kokari su je su yi takadunsu su su samu wannan passport saboda su samu ta hajji duk wanda bai rubuta sunan shi nan zuwa talatin da dai watan Disamba bana yanda ikon sun ga gaya muna sun ga ce mutum bai hajji Voilà, c'était là Moumouni Amadou, le président de l'association euh, des agences de pèlerinage nigérienne au micro de Gongou Mahaman et je vous propose de passer euh, au sport. Chers auditeurs, si vous venez de prendre cette émission encore, et eh bien, nous sommes dans la partie sport. Pour que vous ne ratez rien, nous sommes avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Mariam. Bonjour Adam. Débutons ce premier numéro de la semaine avec euh, les résultats de la cinquième journée de la Super Ligue nationale de football. Eh bien, en ouverture de cette cinquième journée, l'université Abdou Moumouni de Niamey a décroché samedi dernier sa première victoire face au Wamboy de Maradi. Ce soir, l'AS Douane joue contre l'AS Police et la Renaissance de Bokoti contre l'AS Nigelec. Adam, quel est le classement de cette Super League eh bien, à la fin de la quatrième journée, on a trois équipes en tête du championnat avec deux points chacune l'AS Nigelec, l'Union sportive de la gendarmerie nationale et l'AS Garde nationale. En bas de tableau, nous avons provisoirement le Womboy de Maradi et le Jongorzo Football Club. Et voilà, après le foot, parlons à présent de boxe où trois boxeurs nigériens participent à un tournoi sous-régional de boxe professionnelle à Accra, au Ghana. Et oui, nous avons réussi à contacter l'entraîneur Adamou Hamadou. On c'est un boxe professionnel. C'est là-bas au Ghana, Accra, hein, ils sont en train d'organiser. Il y a trois boxeurs qui jouent parce que c'est pour cette combat, compétition. Il y a Aboubaki Adamoula, celui qui va compétir avec euh, un concours de ceinture de boxe dans les catégories de moins de 75 kilos. Mais nous, elle va compétir en compétition internationale boxe professionnelle dans les catégories de moins de 60 kilos. Et Abdelmachid euh, de il va compétir un boxe euh, professionnels dans les catégories de moins de 5 à 6 kilos. Qui organise ce tournoi Ceux qui organisent les compétitions, ce sont des gens de C'est un promoteur de boxe d'Accra. Vous pouvez nous parler de la palmarès de Memouna, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'elle a fait euh, dans sa carrière depuis qu'elle a commencé Memouna, elle était plus jeune. Euh, ils sont cinq filles ici au Niger. Maintenant, elle, elle était, elle était championne, elle était du Niger, dix fois, un championnat national. Maintenant, elle participe beaucoup de compétitions nationales au Niger même. Elle gagne ses aussi combats, tout. Maintenant, il n'y a plus de compétition parce qu'il y a tous les filles ici au Niger. Maintenant, c'est elle seule qui travaille. C'est elle seule qui fait la compétition. Il n'y a pas de partenaire de combat, de sparring encore. Maintenant, Memouna, a été commencé la compétition la compétition internationale euh, au guinée créé en 2019. Elle a été deuxième place de sa catégorie de moins de 60 kilos. Euh, on a été au Mali en 2004, plus euh, champion d'Afrique encore dans la catégorie de moins de 60 kilos. En 2003, on était au Sierra Leone même. En 2003, il y a 9 pays d'Afrique, un championnat d'Afrique, un championnat d'Afrique zone 2. Maintenant, là-bas encore, elle a été, été deuxième place en vice-champion d'Afrique encore. Coach, vous pouvez nous dire, euh, Memouna, quelles sont ces difficultés qu'elle rencontre dans la pratique de son sport Elle n'a pas beaucoup de compétitions. Elle n'a pas de compétition nationale, même internationale, elle n'a pas de compétition internationale encore. Elle a voulu de des compétitions internationales pour participer. Maintenant, euh, on parle aux compétitions, lui, il ne parle pas, c'est pas bon. Elle n'a pas de compétition nationale ou bien internationale, sur des années. Il fait pas de compétition internationale. Il va, va perdre sa talent. En Turquie, il faut nous soutenir euh, envers la fédération encore d'abord. La fédération, on veut leur soutien sur Memouna parce que Memouna, elle a 20 talent. Eh bien, chers auditeurs, c'est sur ce mot de boxe que nous allons prendre congé de vous. À demain pour un autre numéro. Merci bien, Adam. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Eh bien, chers auditeurs, on passe à présent au portrait du jour. Et notre portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Rukaito Abdraman, journaliste au studio Kalango. C'est Rabia Mekano qui nous dresse son portrait. Je vous propose de la découvrir. C'est après son bac littéraire que Rukayatou Abdraman s'est inscrite à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, actuel ESCOM. Elle intègre la rédaction du studio Kalangu après ses études en juin 2017 et son parcours dans le journalisme lui permet de s'exprimer. Après ma licence, je cherchais des stages et un de mes formateurs m'a parlé du studio Kalangu, donc j'ai postulé. J'aime ce que je fais, mais c'est pas exactement une passion. Je voulais me libérer parce que, étant petite, plus jeune, j'étais très, très timide et renfermée. Donc, je me suis dit que, bon, quand je vais embrasser le métier du journalisme, je vais m'ouvrir plus au monde. Et c'est ce qui fut fait parce que plus les années d'expérience euh, s'accumulent, plus je, m'ouvre un peu plus au monde. Aujourd'hui, elle est responsable adjointe du desk jeune au studio Kalangu. Elle se démarque de par sa constance et le sérieux dans son travail. Pour Habibou Garba, responsable du desk jeune, Rookie est un pilier de l'équipe. Euh, c'est quelqu'un qui aime bien son boulot. Elle euh, même si parfois, il faut le dire, elle médite avant d'exécuter son, travail, mais à la fin, le résultat est toujours au rendez-vous. Euh, c'est vraiment magnifique et impeccable. Humainement, elle est très directe. Voilà. pour dire ce qu'elle pense. comme j'ai l'habitude de dire, même si aujourd'hui je perds la vie, je suis sûr qu'elle est là pour la relève. Rukayatou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend bien se démarquer dans ce domaine malgré les préjugés auxquels elle fait face. Ce que j'aime le plus, c'est être en contact avec la communauté. Quand il y a des catastrophes naturelles, des inondations, j'aime être aux côtés des communautés. Partant des, remarques, des critiques euh, qu'on me fait à chaque fois, j'essaie de m'améliorer, de me Le plus grand défi, c'est de montrer aux gens qu'on peut bien travailler en étant marié et mère. Parce que dès que tu fais euh, erreur dans le traitement d'un sujet, on lit ça directement à ton statut. C'est parce qu'elle est mariée, c'est parce que elle est mère qu'elle a failli dans ça ou ça. Pour Ruki, les femmes sont capables de grandes choses quand elles occupent les médias. Après ce portrait très inspirant, chers auditeurs, pour notre toute dernière balade musicale, je vous propose le titre Kamwata » de l'artiste Moussa tsakanin mu shi sa na kira ki da kan mata sauyi nisa a tsakanin mu shi sa na kira ka da yaya na kan mata yaya na kan mata yaya na eh, igiyar koyin mutu ce ta yaya na na hau hanyar gauna gidan kudan ne turba yaya na ko ba ni gani zan kai kaina dan na saba bani wurin ke ko da kin ce ba san dangi na yaya na mata yaya na ta kamar na fara ga zuciya ta raimin take kan soyayya zo sayi bai jaba mun marke ke nake kalla kullum cikin ido har zuciya zane yaushe na ni nawa baya sana kunci Ɗan mata zo mu je da sai mu kamata mata kullum zan kai ki ki huta yaya na mata zan kai ki maka da madina yaya na mata zo kar ubran soyayya a hannu na yaya na mata yaya na mata wata yaya na na rike kakar da ka zille hannu na dan wata yaya na dan wata yaya na C'est là le titre Kangwata de l'artiste Moussa Yaro. J'espère de tout cœur que vous avez aimé. À présent, on passe au loti. En effet, Samira, écoutons à présent les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangu qui aujourd'hui attire l'attention des femmes sur un certain nombre de comportements au sein de leur foyer, notamment celles qui ne restent pas toujours chez elles. Elles préfèrent passer leur temps chez les autres. C'est le sujet du loti de ce lundi, Fanta Shamsou et Samira Rouafi. Affairage, affairage, affairage, affairage. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Non mais j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grand-sœur Ekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça Oui, oui, c'est moi. Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la troisième fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima, range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien Non, non, grande sœur. Hum. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage, du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité. Vraiment, c'est trop. Non, non, grande soeur. Je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher. Moi, je reste au salon. Hmm, subhanallah. Halima, quoi Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi Genre, même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte. Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là, cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisants sur autrui et tout cela c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande soeur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir. Donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah La fille s'y va me tuer. Genre, tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une coépouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Je veux dire, Diam, grande soeur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement, Inch'Allah. Donc, si tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement, moi j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande soeur. Ah bah, tu vas passer ton temps tout le temps, tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. Ah bah. C'était là le loti des femmes du studio Kalango qui, j'espère, a bien attiré votre attention, mesdames. À présent, passons à la culture linguistique en français et en anglais avec Samira Omoru qui nous explique le mot esclavage. Hello Samira. chère auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your show culture linguistique. La date du 2 décembre 2024 est désignée comme Journée internationale de l'abolition de l'esclavage. L'objectif de cette journée est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et les recrutements forcés d'enfants dans les conflits armés. Vous l'avez deviné, le mot du jour est esclavage. L'esclavage est défini comme la soumission à une autorité tyrannique. Esclavage en anglais veut dire slavery. Slavery is a state of being slave. Let's take some example. The stated aims was to free women from domestic slavery. That means leur objectif déclaré était de libérer les femmes de l'esclavage domestique. They were living in slavery and poverty, qui veut dire qu'ils vivaient dans l'esclavage et la pauvreté. The organization has helped to explore human slavery rings qui signifie que l'organisation a contribué à dénoncer les réseaux d'esclavage humain. L'esclavage est déterminé comme une forme de maltraitance. Il expose ses victimes à des violences physiques ou morales, aux agressions et à la déscolarisation. Slavery, the term as a form of expose it exposes its victims to physical and moral violence, aggression and dropping out of schools. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Mira, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Salam alaikum Studio Radio Kalangu. Ni ni Sani Shaibu nan ina sauraron ta daga karhe goma sha ɗaya na sahe zuwa karhe sha biyu da marice kuma na sauraron ta daga bakin karhe biyar na marice abin da ya yamma eh kuma ne abin ke burga ni cikin ma abin yake duk labaran da take na ƙasa ne kuma da harshen hausa wannan shine ma nake jin daɗi sai kuma wasu abubuwa da suke kawa su ce yanzu kamar nan da kwara sai su ce kamar radio murya bisa lamba kaza a gari kaza bisa lamba kaza wannan abu ina jin daɗin shi eh don haka ina fatan ubangiji allah ya kara musu ɗaukaka allah ba su ƙarfin gwiwa da duk waɗin nijar da ake sauraron su kowa ma a ce yana sauraron wannan radiyon saboda labari mai mahimmanci na ƙasa da karshe sai in gaida amannaina akwai mantau mai bidiyo da ke nan tudun jimina akwai hashimu rumbu da ke garin tawaraya akwai talle mai kanana da maya da ke nan garin da kwaro akwai shaf jariri da ke nan garin da kwaro to salamu alaikum ni ne mai kanana da maya na bakin ofital ni shiri wanda kuke yi yana kayatar da ni sosai amma ban da lokacin sauraron ku na rana amma yana sauraron ku sau da kafa labarun ku na marice shiri wanda kuke birge ne babu kamar shiri wanda kuke ma uwayen ɗaya da kankana yara da yake yanzu ka san lokacin damuna ne a rika ma uwayen ɗaya gargaɗi saboda yara ana barin su suna taya bakin tamki suna wanka suna ɗauko masassara irin wanda take damuwarsu na gode amma ina gaida rano na kwaran gwatsu a buɗan kuma matsi gidan meli akwai baraka ta zangon kurau ni ne mala haruna ɗan tudu studio kalangu muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke tun sha ɗai da kuke fara na sahi har sha biyu muna sauraron ku akan lokaci ko da yaushe muna sauraron ku in kuma karfe biyar ta yi muna sauraron ku ko da yaushe muna jin daɗin shirye-shirye na da kuke yi har ma dai labarun na da kuke yi na hausa kenan ma in son samu na ma a ƙara labarun na hausa zan kika yi minti talatin duka abin da ake cikin ƙasa mu rika jin shi da kyau ina gaida daga ina gaida dilla ina gaida mai ɗaki na za ina gaida mai ɗaki na tsayawa assalamu alaikum Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. fin de votre émission Le Niger sur Kalango. Vous étiez en compagnie de Mariamade et moi-même Samira Wafi. C'était un immense plaisir de partager ce moment avec vous. Restez à l'écoute pour notre second programme à partir de 17h. Merci à toute l'équipe qui ont permis la réalisation et la diffusion de cette émission. Excellente journée à vous. bye, bye.